entreprise fii may muy muy Mbao Villeneuve nous sommes à quelques mètres de du marigot de Mbao mais bu c'est impraticable amul assainissement Mbao Villeneuve nous déverser seen ndox bi mu ñëw fekk suñu Mbao cité Dabakh Malik et c'est impraticable monsieur le ministre on demande à ce que l'Olu ñu jël ci ay monsieur le président maintenant nag je souhaiterais m'adresser à mes collègues députés et à l'opinion nationale et internationale dama

j'affirme que c'est moi man ma sama procuration Seydou Diouf en tant que président de la commission des finances parce que depuis le début pourquoi le vote pourquoi le vote d'hier a posé problème mais depuis le début je suis là assis et je vote pour le budget de l'État sama sama président du groupe parlementaire Mingi Neto, qu'on assume, parce que moi, moi, depuis mon tendre enfance je dis et je le répète Kébémer yónni wuñ ma fii pour ma bloquer budget wala pour ma bloquer état bu heure politique jotee nag su heure politique jotee su boobaa ñu politique asalaamaaleykum wa rahmatullah